non, arbre ah, ah, ah. En réalité, regarde le sol, il produit des arbres non épineux. Hein. Mais c'est pour ça. Ah oui, on dit récupération récupération des terres. Mm. C'est vrai, ça. Si, si. Quand un dit une récupération des terres. Seulement en eh. Et eh, Comme l'endroit est frais, ils grandissent vite. Et eh, c'est récupéré. Quand on a gagné, ils grandissent. Et ça a marché aussi. Ça a marché, ça a très bien marché. Si les ne sont pas ça marche. J'ai tourné un documentaire là vers euh, Terra. Donc, voyait qui est